beaucoup, euh, Doudou. Be sate mol konton na. Kagudo pungkol be konton. Ka commencé na alpha nyimmal la. Jamana ta bi ibe siri yela hajul tu jeto. Dol kabrin somonday tinyanta janne. Kal tentu kar jai. Almanque Koukama kama Je voulais vous dire merci pour ça. Santé Alpha nata Ani Manna. Parce que Djama Bidjeto, ala tento. Santé Alpha Nganiobe Moliele. Djama Manna no Djan. Mente Kundinga Koita Makoy Nganiobe Moliele. Parce que Nganiobe Santé donc groupe alphabet dawoda nakkontodiroɓe futalama mammo Comme nous suis Conton, j'ai l'habitude de dire ce que femme le veut, Dieu le veut. Moi, je suis avec les femmes. Kabrim Pareta, Kabrim Pareta Nyimitingola, pour l'ouverture d'aujourd'hui. Fat son Elle n'était pas là, elle était au Maroc, hein demande par exemple Belgique j'étais à Bruxelles quand je l'appelais kay ko fatuwa ko ñe wi kay lafta le mercredi inshallah nga futa gudom be ñi ning kala SK be tarla jele parce que ce meeting là je veux le dédier aux femmes de gudom akoñe ko monsieur le maire nada tan kila ben tarla gudom ple par son ko gatché ngalama elle est venue elle est venu lundi mardi à réunion qu'avec les femmes

B Madame le maire Contonna, Khadi Diallo, avec, avec mon adjoint Mini Badji. Moi, je suis à l'aise. Hein? J'ai des adjoints, Moukataradian, très souvent. Mais Goudom est en de bonnes mains, quel que soit ce qu'on dit. Nimbe Banta, Hakilo Mouka parce que nga sati be moul boulou koma, c'est des gens honnêtes et intègres. Je voulais vous dire merci pour le travail que vous faites pour votre localité. Je veux saluer les délégations qui sont arrivées de partout. Ninko de partout. On n'est pas comme les autres, tellement caro de la pour Molena. Non. Kabo, Kabo Kaour. J'étais de passage à Kaour. Les gens de Kaour m'ont dit on va vous accompagner. Sinon, c'est leur relation avec Mamboy qui a fait qu'ils sont là, même si j'ai des relations particulières avec Burama. Mangakunda Bidjane, je vous salue la délégation de Mangakunda. Samin Bidjane, je vous salue la délégation de Samin. Ce sont des gens qui que Wilton et Kana, Kankidima Yandi, pour dire que Ninkomba, Gudom Damantan Tembela combat. Donc Luntawal Mulnata Kal Tentu Kal Jai. Gudom c'est chez vous parce que c'est votre capitale départementale comme Ibudjalo Fonyami. Gudom doit accueillir tout le monde. Et les Poids doivent être prêts à accueillir tout le monde. Et par rapport à certains comportements, il y a des gens qui ne sont pas prêts que Gudom assume pleinement ses responsabilités de chef de département. Mais, mais, vous allez ce n'est pas, pas un problème. Ibou Diallo, honorable Ibou Diallo Sadio, votre présence ici dit, ça nous rassure. Ça nous rassure au point de vue, au point de vue de la morale, au point de vue du symbole. On ne peut pas faire évoquer la politique de, du, du de la région de Sédio, du Sénégal maintenant désormais, mais sans vous aussi. C'est ce que Dieu a fait, l'histoire l'a retenu. Il faut qu'on accepte comme tel. Moi, je veux saluer votre engagement, vos options et vos choix que vous assumez de manière pleine et entière. Merci beaucoup. Je salue la même occasion la délégation qui vous accompagne. Je pense qu'on est ensemble et on est ensemble pour le bien de nos populations. Moi, je voulais saluer ça fortement. Et si vous êtes là, pour moi, c'est l'ensemble du cortège départemental de notre coalition qui est présent. Donc c'est pour ça que je dis que votre présence nous rassure. Je veux saluer le comité d'organisation communale au monde de dia Parce que parce que maire o man tara mais action ol nene sous aninti on n'est pas comme les autres on ne fait pas trop de bruit hein parce que politique au bruit wato balalé. mais donc, on fana en et ce comité d'organisation là moment fendi là rien mais à allah haajol la vous travaillez jour et nuit pour que le leader option Munta pour que option se réalise ici à Gouda. Donc vraiment, Bakari, Sonko, l'ensemble de l'équipe du comité d'organisation, Mbal Konton, Mbal Tentou, Mbal Djaïla, vraiment. Je veux faire une mention spéciale à Sini Sissé de Djolakunda. Parce que Memouna, ce n'est pas le candidat de Vieux Sissé qui est en train de chercher des voix c'est le candidat de la coalition Taku Wallou Sénégal. Donc, non, C'est la raison pour laquelle Bisseni, au niveau de Goudom, c'est le mandataire de Goudom. C'est un choix que nous avons porté et que nous n'avons pas regretté. Franchement. Tout le combat que vous êtes en train de mener sous Tatili, on le sait. Mais je vais revenir sur mes parents balantes. J'ai l'habitude de dire que nous, nous sommes dans une zone où il y a des conca, il faut balantakunda. Nous là, sans parler des balantes. Ça aussi, c'est l'histoire. Donc, mes balantol Et moi, j'ai la chance, j'ai la chance d'avoir mes amis, mes meilleurs amis de Goulom sont des balantes, pratiquement. Donc, mes Le balant chez moi, c'est un symbole pour moi. Mais un symbole de lutte, de combat et de conquête. Nous avons Alpha Djibé, nos parents balantes qui nous ont précédés. Alliés l'onné, Ce sont des vieux ou des anciens qui se sont illustrés dans le combat pour leur population. Hanime Tofo. Donc, Binatra, Momo Wilte Konga mais le doit pourquoi on ne fait pas nos rencontres premières ailleurs Salif c'est pas gratuit ça. Moi, je voudrais rendre un hommage mérité à l'ensemble des anciens Balantes, en particulier à Salif Diaw. La politique peut avoir beaucoup de branches, mais la finalité, c'est le développement. Donc, tout pour dire que rien ne se fera ici dans ce Balantokunda dans l'ensemble des 15 communes, mais sans l'engagement des Balans. Donc Kalten Tentou, particulièrement. Euh, j'ai une fois dit à quelqu'un, mais si les gens devaient choisir culturellement leur appartenance, moi je serais un pôle de naissance c'est une manière de saluer la communauté Khalpoular de Goudor. Pourquoi encore culturellement Je n'ai pas dit de naissance, mais culturellement. Parce que même mes choix, hein, c'est des choix c'est des choix c'est des choix peuls. <laughs> Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais mes choix, c'est des choix peul. Donc, je suis un de plus je salue l'intégrité de cette ethnie-là. Je voulais saluer ça fortement. Donc, Fulolo, Halpurano, le Walo Walo, tout Kontonaka, Betontuka, Bejaï. Si j'ai des gens, si j'ai des gens bi, Mouyalo Neko, Ninkulobe, Mbula Kunta, mantafou. Mkata Walo Walo Kundale. C'est là-bas où je vais. Parce que c'est pas parce que je veux l'électorat de Walo Walo. Parce que nous je suis que Alpha, Mouyalo Neko, ala conseil yen te sile ala kumakan yen sile ni na mo fulo bon kono ni mbota si je ne savais pas ce que je vais faire avant d'arriver chez lui en sortant je sais là où je vais donc vraiment al prado mbal konton mbal tentula bal jela les mandingues c'est moi-même vous le savez tous ça c'est moi-même j'ai pas besoin de prendre euh, du temps sur ça nous sommes un carrefour culturel technique il faut que nous restons culturellement unis. C'est dans l'unité et la cohésion que qu'on réussira à construire ce pays-là. Ni Wobotala, ni Wobotala, alliance politico que demanding en quelques minutes. Vraiment. Parce que si on met à les seins, mais l'aftale ni mbota jante bitala, inim kumo eta, iko Obama le n'imfo. Mbemu fola le bi, ningudo pol kol maje bi, ibaje la sama, ni maje sama, ibaje la sinindi parce que je ne parle pas pour l'intérêt de ma propre personne. J'ai dépassé ça maintenant. Non, c'est vrai. J'ai dépassé. Pour ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas. Mais j'ai dépassé un combat de mort pour ma propre personne. Si je me bats, c'est pour Goudom. Et heureusement, heureusement, à la tente, campagne commence de Diamo Siata il y a trop de propos dans, ce, cette commune. Ala Fouyeko, Obama est arrivé. Hein? Non, non, non, je, suis arrivé et je suis arrivé pour la campagne, ok. Je rentre mercredi à Goudom. Jeudi, vendredi, samedi, je veux faire siège, je veux élire siège dans, la, dans le quartier de Yolapoula. Trois jours nimmoɗo da trois jours mais deux jours kela aduma sou somo nani natan teɓola jeetu tankemol mela après je verrai comment faire avec la liberté la cité millionnaire et, les, et la cité aux efforts. donc lafta lafta kuɗo pum koli alon ko ni élection mum mbé mol bulu sanar élection on te diyamum kamum moy ku saba jama jama kole moy mbeɗami dol kankili koñe ko monsieur le maire i ko i tina a la wo ko i tina wote la le ba a ko momo moo daawo daa diyaata vote c'est vrai j'ai parlé avec des gens au téléphone i ko monsieur le maire ka tina a la ko alta ale vote jo c'est faux c'est absolument faux Moi, je suis un homme politique qui assume mes choix. À l'heure du choix, je choisis toujours. Et je fais en sorte que mes choix triomphent pour l'intérêt de Goudon.